Du coup, et du coup, alors je vois quoi République dominicaine, Cuba. Du coup, c'est bien ça, c'est que tu avais commandé donc un set de table Caraïbes, dans lequel euh, mhm. d'un côté tu as la carte d'Haïti et de l'autre tu as la, tu as la carte de la Caraïbe. Oh, et donc de deux côtés, euh, il y a l'alphabet créole officiel. Et des deux mhm. côtés aussi, euh, tu as différents QR codes. Donc du côté Haïti, tu as des QR codes avec des jouets, des jeux, ce qu'on appelle jouettes. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est des jeux euh, avec euh, des proverbes, des ressources économiques d'Haïti. Donc, il y avait beaucoup mmh. d'images dans ce deuxième jeu. Et un troisième jeu encore avec des, des proverbes à Donc, voilà, donc oh. tu passes ton téléphone, enfin tu scannes en fait avec ton téléphone euh, mmh le QR code et ensuite tu peux accéder à chacun des jeux. Donc ça c'est du ah, côté ah, euh, IT. C'est excellent parce que du coup ça fait une carte interactive un petit peu. Quoi.